m'appelle Ousmane Sek, je suis le secrétaire général du collectif pour la défense et le suivi des intérêts de Yéba. Intérêts, il y en a. En ce dimanche 20, c'est un jour historique qui va lancer un déclic pour Sebikotan. Rien ne sera plus comme avant. Nous sommes debout, unis, et nous défendrons nos terres, nos intérêts. Parce que hors de question il est hors de question que les maires viennent pour spolier nos terres. Nous disons non. Tout en chacun ici, qu'ils disent non. nous refusons et nous allons attaquer, quoi qu'il nous coûte, ce décret. Parce que ce décret, pour moi, c'est un décret illégitime, Quoi que c'est émis par le président de la République. C'est le décret qui a consacré le partage de Yéba. On n'est pas, on n'est pas à la conférence de Berlin qui a consacré le partage de l'Afrique. Yéba n'est pas un gâteau à partager. Nous refuserons jusqu'à la mort. Parce qu'ici, c'est des maires. L'État est une continuité. C'est des maires qui ont loti, qui ont aménagé pour que Yéba déguerpisse sur le plateau. Parce qu'on a des problèmes de ravinement. Yéba est une cuvette avec des qui versants. Donc je crois qu'on a induit le président en erreur. Et il est temps de se rectifier. Qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement Non, il a attribué ces parcelles, toutes ces parcelles qui ont été déjà loties et attribuées à d'autres. Il les a désaffectées pour les réaffecter aux HLM, à la CDA et au Senbus. Et c'est contre cela que nous s'insurgeons avec la dernière énergie. Nous nous battrons jusqu'au bout et nous disons non non et non Il y a eu des projets, c'est pour montrer que nous, ne défions pas l'État. Mais nous luttons contre l'injustice. Il y a la pylône, il y a le KMS3, il y a le terre qui est là, il y a l'autoroute à péage. La population a correctement coopéré. Mais les gens ont, ont vicié la procédure. C'est contre cela. C'est contre cela que nous s'insurgeons. Parce qu'il y avait un cadre de concertation avec le préfet. Hmm? On était en train de discuter. On était sur le point même de se réunir pour discuter sur la voie, les voies et moyens. Comment faire Parce que ce que disait le préfet, c'était constant. Hein. Yeba habite ici depuis des siècles. Donc il a le droit. C'est un droit. On parle de Liberté 6 extension. On parle de Sacré-Cœur extension. On parle de Mbao extension. C'est cela que nous demandons. C'est un droit inaliénable, humiliable, indiscutable. C'est contre cela que nous insurgeons. Ça montre que c'est un, piège politique. C'est un piège politique. Comment se fait-il que le, maire... On a, on a, les élections sont tenues le 23. Il vient pour signer le décret le 25. C'est un piège politique. Mais on est là. On est fin. On va lutter. On va prendre, on va prendre tous les moyens nécessaires à notre disposition pour attaquer ce décret et faire tomber ce décret, Inch'Allah. Donc, c'est collectif pour la défense

amatuñ fenn fu fini mën a dëkk y a 4000 jeunes yoo xam ne ñoo amatuñ fu ñu dëkk fii lañu yaakaar pour dëkk fii duñ mas a nangu nag kii ko que soit mu ñëw fokkati suuf si jox ko ñeneen au détriment de Yaba duñ nangu loolu mukk si àddina suñu maam défendre nañu suuf si suñu bàyyi défendre nañu suuf si c'est à nous de défendre suñu suuf pour ñun ak suñu ancien maire Abdoulaye Lo sortant lu mu def duñ ko mas a nangu tey duñ ko mas a nangu ëllëg tey la suuf waa Yaba si ay jaambur

fii ay nit ñoo fi dëkk bâtiment yaa ngi ne nga gis ay bâtiment ay nit ñoo fi dëkk ñoom ay lëkk nag dañu bëgg ñëw raser lépp jox ko ay jàmbur ñun nag duñu dëkk si pax yi quelqu'un disait que ils ont amené la terre ici pour nous enterrer fii on on ne sera pas enterré vivant il va falloir que ñu rey ñu pour ñu enterrer ñu waaw dañuy rey pour pour enterrer ñu yow gis nga situation nu mel tey jeunesse baa ngi nii jigéen yaa ngi ni mag yaa ngi nii ñëpp taxaw nañu ñëpp bañ nañu les quatre projets de l'État jaar na fi autoroute à péage jaana fi jël suuf waa yeba ñu ñu ñu coopérer parce que xam nañu pour pardon c'est pour le bien public attention bi jaana fi jël suuf waa yeba ñu coopérer le terre fii la jaar diiru dëkk bi la jaar en deux parties déjà ñu ñu muy laal sax dañu la war a déloger ki indi leen fu ñu fi soxla fi pour ñu dëkk fi te jii bu ñu joxee li tey ñooñu fu ñu dëkk KMS 3 bi jaana fi aussi jël su suuf waa yeba ñu coopérer mais ñoom lan lañu bëgg ak final ah jël yéen taxaleen dans une autre zone loolu du ko mos a tey du ñu ko nangu tey du ñu ko nangu ëllëg waaye yéen di non Sébikotane di non. le décret li ñu gën a jaar si décret bi sax décret bi ab monsieur Abdoulaye Lo moo demandoon pour ñu def extension communale la wax mais décret bi bu ko bu ñu bàyyi ba au lendemain des élections ba mu wàcc le 23 la wàcc le 25 ñu signé décret bi loolu mooy lan. jaay yéen pour s'enrichir dem yoonam. duñu masal loolu li li ñu yoon may dinañ ko def quitte à ce que ñu bàyyi suñu bakkan mais duñu masal nangu suuf ak ay jàmbur yoo xam ne lañ jóge bu ñu amee ay problème nañ rek seen problème en dehors de suuf Sébikotane Sébikotane amatul benn suuf boobu muy joxe fii amul benn suuf bu muy ay ay ay société privée fii daal extension pour waa Yaba la li ñu ñaan président mooy ñu ngi interpeller pour mu taxaw si lii xaw ban rapport lañ ko indi wala ban wax lañ ko indi ba mu signé décret on est d'accord pour le déclassement de la forêt d'accord mais pour l'intérêt des populations parce que il y a des lotiser partager ko c'est attribuer ko à des zones. mais problème le problème qui s'était posé boo ñu bëggee construire dañ ci forêt classée bi la bokk on avait demandé depuis très longtemps de déclasser la forêt pour que ñu mën fee sans sans problème Tay nak buñu ñu ñëw ba déclasser forêt bi ñu war ñu ko jox ñu dëkk fi ñu dem jox ko ay jambour loolu lañ dul dangu tay té duñ ko nangu élect